Auditrices et auditeurs de programme du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans cette euh, émission Le Niger sur Kalangu. C'est mardi 21 novembre 2023, je suis Rekia Arimi, à mes côtés Mariam Adé. Bonjour Mariam. Bonjour Rekia. Comment tu vas Ça va bien, Rekia. Et qu'est-ce qu'on a au menu ce matin Comme d'habitude, Rekia, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure à 60 minutes riches en informations, en divertissement et en musique. Tout d'abord, on commence avec le flash d'informations et de la bonne musique à 100% nigérienne. Et de la rubrique hebdomadaire, nous parlerons santé comme tous les mardis. Un programme très varié et nous suivrons ensemble un entretien avec Hajara Monkaila, la promotrice du centre ABC de Maradi, qui nous en dira un peu plus sur leurs activités. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, un reportage régional, la chronique Lotti avec les femmes du studio Kalangu et de la culture linguistique en français et Hausa. Nous bouclons avec les messages beaucoup de nos auditeurs. L'édition est assurée par Hila Soumana et Adama Dawaki et la technique par Issa Lawali. Tout de suite, les flashs présentés par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rekia, comment tu vas Je vais bien. Alors, pour ce matin, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdramantiani, a signé hier 20 novembre 2023 un décret portant nomination des membres du bureau de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. La COLDEF, c'est un rappel, a été créé en septembre dernier par les autorités de la transition dans le cadre de la lutte contre la corruption au Niger. Il a pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Sont nommés membres du bureau le colonel Abdul Djibo, président de la COLDEF, Issouf Yakouba, vice-président, Ibrahim Mohamed Arbi, secrétaire général d'Ambaji, sont la première rapporteure et Madame Issouf Ladi Adamou, deuxième rapporteure. Ensuite, à l'occasion dimanche de la douzième édition de la journée africaine de la sécurité routière couplée avec la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, le ministre des Transports, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, a révélé quelques chiffres clés au Niger en 2022. Plus de 8500 accidents ont entraîné la mort de 1220 personnes et près de 12 000 blessés. Selon le ministre, les accidents de la route dans le pays ont augmenté de 10% entre 2019 et 2020, touchant principalement les jeunes de 20 à 39 ans. Il a rappelé qu'un comité multisectoriel a été mis en place pour évaluer les accidents de la circulation et proposer des solutions à court, moyen et long terme. D'autres mesures déjà en place au Niger dans la stratégie nationale de la sécurité routière pour la période 2014-2025, l'amélioration du contrôle technique automobile, la modernisation de la formation des conducteurs et le renforcement des mesures répressives. Enfin, à l'international au Sénégal, l'opposant Bassir Diomaye Faye a été désigné dimanche par les dirigeants du parti PASTEF, les Patriotes, comme candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu en février prochain au Sénégal. L'annonce a été faite dimanche lors d'une déclaration commune. Selon Actu Niger, Bassir Diomaye Faye, secrétaire général du parti, est également le bras droit d'Ousmane Sonko. Pour rappel, le PASTEF, les Patriotes, a été dissous en en juillet dernier par le gouvernement sénégalais. C'est tout pour ce matin. Merci, beaucoup, Rafika. C'est le moment pour nous d'en savoir un peu plus sur notre invité du jour. Et eh oui, Mariam, comme annoncé en début d'émission, nous suivrons ensemble un entretien avec la promotrice du centre ABC de Maradi, un centre qui forme des jeunes filles et garçons. Mais avant, nous allons écouter la musique pour commencer. Et eh oui, Raki, on va kiffer le son de la troupe École Toudou. Bye. Mm-hmm. La troupe École Toudou tire son nom d'un petit quartier d'Agadez au Niger. En 1985, la ville a accueilli un concours musical entre différentes écoles et l'école Toudou, en manque de, de choral, a fait appel à un jeune guitariste touareg du nom de Kader Barmo Bala pour créer un nouveau style de musique. Leur première composition intitulée Wayuan, qui signifie Salutations à tous, a remporté le premier prix du concours et a attiré l'attention de l'État du Niger. L'année suivante, ils ont été invités à un studio pour enregistrer un album sorti sur le petit label Boutique Hassada, connu pour son travail fondateur avec Maman Sani Abdoulaye. Le groupe a continué à gagner des éloges pour sa musique dans tout le Niger. Suite à leur succès, un certain nombre d'autres groupes scolaires sont créés aujourd'hui. Certaines d'entre elles et certains d'entre eux sont devenus des grands artistes. Après cette sublime mélodie, je vous propose de suivre la première partie de notre entretien. Je suis Hajara Munkaï, le et Madame Abdoulaye. Je suis dans la formation professionnelle euh, depuis 2015-2014. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir ce centre Ce qui m'a motivé à ouvrir ce centre, c'est que moi-même, je suis issue de la formation professionnelle parce que j'ai fait stylisme, mode, décoration d'intérieur, tout ce qui est couture et industrie de l'habillement au Kenya pendant trois ans. Donc quand je suis revenue et j'ai vraiment voulu redonner à la société ce que j'ai appris là-bas, le, ce même modèle d'enseignement professionnel, j'ai voulu à travers mes connaissances faire encore plus briller la formation professionnelle, apporter un plus parce que j'ai remarqué que ici on le fait, mais malheureusement c'est pas vraiment de façon professionnelle. C'est les foyers féminins et puis et, ils sont pas formels. L'inscription s'est fait comment C'est gratuit ou il y a des frais à payer Non, non, non, il y a des frais parce que le centre c'est pas une seule personne qui fait toutes les formations. J'ai essayé de faire ça comme une école. Donc, il y a des professeurs à payer, il y a beaucoup de charges sur nous. Donc, euh, nous avons des frais de scolarité, d'inscription et autres qui permettent au centre de tenir. Par exemple, pour la première année, on le fait à 60 000. L'inscription, c'est 5 000. Et puis, les frais de la scolarité, c'est 55 000. Donc l'année fait 60 000 pour la première année. Maintenant, la deuxième année, ça dépend de la filière que la personne va choisir. Je prends un exemple, la filière maroquinerie ou bien la filière couture, elles sont à 60 000 aussi Puisqu'elles ne demandent pas genre des matières premières qui coûte vraiment, comme par exemple dans la cuisine ou la transformation agroalimentaire ou la cosmétique. Donc c'est vraiment un exemple que je vous ai donné au niveau des prix. Au niveau de la deuxième année, chaque filière que la personne va choisir a son montant. Mais la première année, nous essayons de faire un tronc commun. Et les élèves n'ont pas le choix. En fait, ils font un peu de tout pour que la personne puisse au moins se réveiller sa passion, puisse découvrir aussi son talent pour un domaine bien précis. Et maintenant, en deuxième année, la personne peut se focaliser sur un seul domaine. Au début, dans ce centres, vous ne prenez que des filles. Maintenant, vous prenez aussi des garçons. Pourquoi vous avez changé d'avis J'ai changé d'avis parce que aujourd'hui, quand nous regardons la société, on ne peut pas mettre un accent sur uniquement une seule cible. C'est vrai, les femmes sont vulnérables, c'est vrai, les jeunes filles sont vulnérables, mais on se rend compte que quand on n'arrive pas à faire l'équilibre entre les deux, vraiment, ça va créer un désordre dans la société. Donc, que ce soit les jeunes garçons, plutôt que de perdre leur temps, moi je trouve que eux aussi ils sont vulnérables parce que ce sont eux qui sont appelés plus tard à même gérer la famille. Et aujourd'hui, plutôt que de perdre le temps à ne rien faire, souvent on s'adonne à la drogue et tout. Même les jeunes garçons aujourd'hui ont besoin de formation. On a besoin de mettre un accent sur ces jeunes garçons-là. Donc c'est pour ça que cette année, je n'ai pas pris seulement que des filles, j'ai pris aussi des jeunes garçons. Et puis pour l'inclusion, nous avons commencé eh, la formation aussi pour les sourds-muets. Combien de garçons avez-vous dans ce centre aujourd'hui Pour le moment, ils viennent à compte-gouttes, nous n'avons que six garçons. Mais je suis confiante qu'avec le temps, on aura plus. C'était là la première partie de notre entretien. Pour rappel, le centre a été créé en, 2015, mais de façon formelle en 2021 à Maradi. Aujourd'hui, ce centre ABC a formé plus de 300 filles au métier professionnel. Pour euh, cette deuxième tournée en musique, je vous propose Rasta de Yoni Mahmoudou.

J'ai vendu donc pour payer chez lui. J'ai vendu donc pour mes besoins. Travailler c'est trop dur. Et voler c'est pas bon. J'ai perdu dans la dignité. J'ai gagné dans la dignité. Et mes amis, vous savez bien, notre vie est compliquée. On se débrouille pour notre musique. Il y a des gens qui veulent nous bloquer. Et quand on est nera tankatare. Et quand on est nera tankatare. Et quand on est nera tankatare. Et quand on est nera tankatare. Thank you. Yoni Mamoudou est un chanteur nigérien par son style musical et le, reggae et, le reggae, mais il évolue aussi en dancehall et en negro spirituel. Il a sort les albums Toguraga en 2007. EP en 2013. Il est considéré comme l'un des chanteurs les plus engagés au Niger. Cette chanson que nous écoutons à sa sortie en 2018 a fait vibrer la jeunesse nigérienne en matière de reggae. gaule nerga samude ikan gaule nerga munde ikan gaule nerga kwaide ikan gaule nerga talika bonga awo bande le kwega ka toro di ne kwega ka sai no ai kwega ka ikolo no ai kwega ka ikata bonde kwega dei kwegaka itondu biyane kwegaka iyantalara ina nerano ekanga une nera sankatare ekanga une nera sankatare ra ekanga une nera sankatare ekanga une nera sankatare Mariam, dans la deuxième partie de notre entretien, Hajara Monkela nous parle des difficultés qu'elle rencontre dans cette formation. Elle est toujours au micro de Mariam Adé. Parlez-nous des difficultés auxquelles vous faites face dans ces centres. La première difficulté, c'est que souvent, et les parents même d'élèves minimisent la formation professionnelle. Ils le voient comme euh, vraiment, par exemple, l'enfant, c'est parce qu'il a échoué dans la vie qu'on va lui faire apprendre la couture et autres. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est eux-mêmes l'avenir du pays. C'est eux-mêmes, à travers leurs activités, qui vont faire émerger le pays. Donc, euh, vraiment, moi, je pense que les parents doivent aussi être sensibilisés à cela parce que souvent les parents ont du mal. Ils négligent par exemple payer les frais de scolarité, ils négligent payer les kits pour les élèves. C'est vrai aussi d'un côté, l'État fait beaucoup, l'État accompagne à travers le FAFPA et autres, mais par exemple, pour nous qui sommes dans le privé, il y a un petit effort à faire au niveau des parents. Donc, euh, la première difficulté, c'est vraiment la négligence. Aussi, ils ne les encouragent pas ça aussi, c'est une difficulté. Et la société les voit mal. Mais heureusement que moi, à mon niveau, j'essaie vraiment de les encourager. J'essaie de leur dire que moi-même, je suis un exemple de réussite de la formation professionnelle. Donc, on peut réussir. Et ça, aujourd'hui, je suis fière de ça. Parce que je suis dans le domaine, j'ai réussi dans le domaine et je veux aussi que eux aussi puissent réussir dans le domaine. Et la difficulté aussi qu'on peut rencontrer souvent, c'est que on aimerait avoir plus de ONG qui vont nous accompagner, qui vont amener des élèves et les aider, par exemple, au niveau du paiement de la scolarité des kits par exemple, parce qu'il y a des enfants qui n'ont vraiment pas les moyens. C'est pas que les parents sont négligents, c'est qu'ils veulent, mais ils n'ont vraiment pas les moyens. Donc, on aimerait vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de ONG, beaucoup plus d'associations, beaucoup plus d'organismes qui vont nous accompagner, qui vont nous amener des jeunes pour qu'on puisse les former. Parce que sincèrement, nous essayons de faire un travail d'excellence, donner une formation d'excellence aux jeunes là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans les centres de formation juste parce qu'ils ont échoué à l'école ou autre. Ils ne font rien et puis maintenant, Kawaïde, on les laisse. Donc vraiment, les difficultés se trouvent au niveau financier mais Alhamdulillah, pour les équipements et autres, l'année passée, on a pu être accompagné par l'ambassade des États-Unis, on a pu être accompagné aussi par la Banque mondiale pour les équipements à travers le ministère de la formation professionnelle. Et vraiment, et on est très reconnaissant pour ça. Aussi, la difficulté, c'est que le centre, nous avons aujourd'hui plus d'apprenants. Beaucoup de gens sont en train de découvrir le centre. Beaucoup de gens veulent inscrire et leurs enfants et tout. Donc le centre la d'ici le local dans lequel nous sommes ne va plus pouvoir contenir les élèves. Donc la difficulté aussi serait que nous ayons notre propre local pour pouvoir vraiment permettre des formations encore plus enrichissantes à plus toucher beaucoup plus de nombre de jeunes qui aimeraient se lancer dans la formation professionnelle. Vous faites des sensibilisations pour attirer l'attention des parents C'est l'année passée que j'ai remarqué ça, mais cette année, je comptais faire beaucoup de eh, réunions de parents d'élèves pour essayer de sensibiliser les parents par rapport à ce qu'ils prennent au sérieux cette formation professionnelle là parce que aujourd'hui nous voyons des gens qui sortent avec des doctorats ils ont fait l'enseignement général, ils n'ont pas de boulot. Ils reviennent encore à l'entrepreneuriat, ils reviennent encore chercher à apprendre un métier pour pouvoir s'en sortir. Donc aujourd'hui, vraiment, l'heure, le moment est ce que tout le monde se mette main dans la main pour qu'on puisse faire et briller la formation professionnelle, qu'on mette l'accent sur ceux qui sont dans la formation professionnelle, ceux qui sont sérieux dans leur travail, ceux qui sont engagés, ceux qui sont passionnés, qu'on les accompagne afin qu'ils puissent faire des centres de référence. Avez-vous un dernier message à lancer Le dernier mot que je vais dire, c'est que la formation professionnelle est un joyau pour les pays et beaucoup de pays, si on regarde dans le monde, se sont développés grâce aux gens qui font les métiers. Pas grâce aux administrateurs, vous m'excusez, c'est vrai, c'est un travail complémentaire, mais pour une réelle émergence d'un pays, c'est grâce aux gens qui font les métiers, c'est grâce aux entrepreneurs, c'est grâce aux industriels. Donc vraiment, ce que nous faisons là, ça doit être pris au sérieux par l'État. Ça doit être accompagné par l'État. Ça doit être financé. Parce que pour grandir, il faut un investissement. Donc vraiment, ce n'est pas à négliger. C'est un travail que nous faisons, pas pour nous, nous le faisons pour tout le pays. Pas pour seulement un an, deux ans. C'est pour des générations et des générations. Donc c'est des moments pour la fin. Et j'espère que ça va rentrer dans des oreilles attentives et des oreilles qui peuvent agir aussi. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Parlons santé à présent et c'est notre rubrique hebdomadaire. Nous allons édifier nos auditeurs sur la dengue, une maladie qui est transmise par des moustiques et qui peut être fatale. Selon les médecins, la maladie n'est pas encore confirmée au Niger. Néanmoins, plusieurs suspicions existent. Professeur Mahmoudou Douchi Altine, infectiologue à l'hôpital des Zandera, nous donne quelques détails au micro de Mustafa Mamansani. La dengue, c'est une arbovirose, donc c'est une maladie qui est transmise par des arthropodes. Ça veut dire que la dengue est une maladie transmise par un vecteur. Le vecteur ici, c'est l'Aedes, en l'occurrence, qui est un moustique qui ressemble beaucoup à la nofelle qui donne le paludisme. C'est un petit insecte, si vous remarquez, qui pique dans la journée. C'est lui qui transmet cette maladie. Le problème, c'est qu'il euh, il y a une transmission ovarienne du virus de la dengue, c'est-à-dire que le moustique peut transmettre la maladie à sa descendance. Si vous vous rappelez, il y a deux ans de cela, il y avait eu une grosse épidémie de dengue au Burkina la proximité que nous avons avec le Burkina et les échanges à travers les transports par les bus, par les avions, fait que les Aedes du Burkina peuvent rapidement se retrouver au Niger et contaminer les Aedes qui sont au Niger et eux aussi donc avoir une descendance de moustiques qui est infectée par le virus. Donc on peut supposer que à ce jour, on a une population conséquente d'Aedes infectée à Niamey, ce qui fait que la maladie a commencé à apparaître au Niger même si pour le moment il n'y a aucun test qui a confirmé que c'est vraiment la dengue, on a de fortes suspicions vu les symptômes euh, que les personnes présentent. Quels sont les symptômes qui sont constatés par rapport à cette maladie de la dengue les symptômes de la dengue ressemblent beaucoup à s'y méprendre au syndrome du paludisme non compliqué, puisque dans la majorité des cas, c'est une euh, maladie qui est bénie. C'est une personne qui va présenter de la fièvre, des maux de tête, des douleurs euh, articulaires, des douleurs en un mot. C'est pourquoi ça s'appelle dengue en espagnol, ça veut dire denguero, douleur. Donc c'est une maladie où la douleur est au premier plan. Donc en dehors de cette fièvre-là et de ces syndromes douloureux, ce sont des personnes qui peuvent présenter des adénopathies, ils peuvent aussi avoir après 5 à 6 jours d'évolution des petits syndromes hémorragiques, c'est-à-dire les nez qui coulent avec un peu de sang ou bien les urines où il y a du sang ou bien du sang dans les selles. Malheureusement, les personnes qui présentent ces syndromes hémorragiques, c'est elles qui peuvent avoir une évolution fatale, mais c'est dans une très petite proportion des cas. Est-ce que la dengue est une maladie contagieuse Il n'y a pas de transmission interhumaine. Il faut un vecteur par l'intermédiaire de Aedes aegypti ou Aedes albopicus que la maladie se transmet. Comment se fait le traitement contre la dengue Le traitement de la dengue est essentiellement symptomatique. Il n'y a pas de médicament curatif étiologique contre le virus de la dengue. La personne, quand elle vient à l'hôpital, on va lui donner des médicaments contre la douleur et la fièvre. Et quand il a beaucoup saigné, on va mettre euh, du sang. Mais c'est surtout le traitement préventif qui est essentiel. Le traitement préventif consiste à éviter les piqûres de moustiques en dormant sous moustiquaires imprégnés d'insecticides, les répulsifs en portant des vêtements couvrants. Ensuite, il y a la vaccination. Bien que le vaccin contre la dengue n'est pas facile à utiliser puisque c'est un vaccin qui ne peut pas être utilisé sur des populations qui n'ont jamais été en contact avec le virus, parce que ça risque euh, d'entraîner des cas. Il faut savoir que c'est une maladie immunisante, c'est-à-dire qu'il y a quatre types de virus de la dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Le fait de faire une infection au virus type 1 confère une immunité seulement pour le virus type 1, donc ça veut dire que vous pouvez être immunisé contre le dengue 1 et faire la dengue 2 ou la dengue 3 ou la dengue 4. Euh, une chose importante aussi pour la prévention, c'est vraiment le dépistage. Il faut qu'on ait des capacités à dire que c'est la dengue et qui est due à tel type de virus. Par exemple, on va faire une PCR, on va dire que c'est le type 2 qui est en train de donner une épidémie au Niger. Et en ce moment, la riposte vaccinale va cibler ce type de virus. Donc vous voyez, le dépistage est un élément essentiel aussi de la prévention de cette infection. Quel conseil à l'endroit de la population pour éviter surtout cette maladie de la dengue c'est à l'endroit de la population, c'est de savoir que la maladie est probablement là. Si jamais les tests qu'on a effectués confirment que c'est la dengue, c'est qu'il faut adopter des précautions à type euh, d'éviter les piqûres de moustiques, envisager de former les agents de santé à la reconnaissance de cette maladie et à sa prise en charge, parce que bon, ça va être une nouvelle maladie pour le Niger, on ne sait pas la prendre en charge, il faut former les gens. Et à terme, puisque si une fois qu'il y a la maladie, c'est qu'il y aura à l'avenir beaucoup d'épidémies, il faut se préparer à avoir des vaccins, peut-être dans quelques années, pour utiliser sur la population. Voilà, c'était là le eh, reportage de Mamansani Sani. Et eh, Encore un tour euh, musical avec euh, le groupe Majdou qui porte le nom de son fondateur Majdouni Zakaria Plus plus connu sous le nom de Majdou. Il est originaire d'un petit village Tarbiat du sud-ouest du Niger. De l'âge de 6 ans, Majidou s'est vu noyé dans la passion de la guitare à travers ses ongles musicales. غيكنا الله الله الدوبن انا غيكنا يتما غاسا ما يا غاسستانا يتما سكنايا ما فلتي دوت الوقيدا تندار نغا ما فلتي دوت الوقيدا تندار نغا يتما غاسا ما سرتي دطيت وين واندا فلانا والدرهن نهرن الحرية يتما غسا ينفاد غسستنا يتماس فلايا ما في التدوت الوقت جنت دارن troupe a produit et enregistré son premier album Aïtma, littéralement Mes frères a composé de neuf titres. Ces titres chantés en à traitent entre autres des sujets tels que la liberté, la fraternité, la justice, l'union, la solidarité, l'amour, le comportement noble ou encore la, blave, ou la bravoure. اسورتو يمواجرون لميشن جاسين فينا وين قال سنتا تصايد ما غسايك ما لغسستنا يتماسك لايدا ما فلت دوت الوقي جنت دارنا ما فلت دوت الوقي جنت دارنا مدة تي مدة هنغهدن الدنيا نغريك الله يتوبن هنغيقنا الله الله يتوبن هنغيقنا يتمغسى يقما يغسستنا يتماسك العيدة ما في التدوت الوقي جنت دار نغا ما في التدوت الوقي جنت دار نغا Direction d'IFA pour parler des taux d'échange dans cette localité. Pour plus de précisions, écoutons le reportage de Guidi Abdraman. Darajar musayar kuɗi ko canji tsakanin sefa da naira na ci gaba da damun al'ummar garin Difa. A yau mata da maza da ke gudanar da ƙananan sana'o'insu sun koka akan ƙarin farashin kayayyaki akan kasuwa. kamar yadda za ku ji ta bakin su. Sunana Fannata ina sana'an dan wake to yanzu gaskiya a dan waken da in aka yi ana samu amma yanzu ba a ciya ba a samu tunda dai a ciki yaran ka za su ci wani sabili wani mai insu na shafawa yanzu tunda sifa ta karu gaskiya in ka je sayan abu a naira baka samun shi yanda kake so dole he an ce ka biya da kuɗin sefa in mu kan gaskiya ba ta gyara mu saboda gaskiya yanzu da ta karu babu wani amfanin ta da muke ci mu in mun je sayan abu sunana Zainabu harakan sana'an tuya nake yi yanzu buhu dan karami na fulawa wanda da muke da muke saya dubu bakwai yanzu ya koma jika goma sha ɗaya har da rabi muke ta muke sayowa mai litir guda da da muke sayan shi ɗari takwas yanzu ya koma dubu da wani waje za a ce muka dubu biyu da ɗari biyu kenan sana'a yanzu da da duka ya bambanta yanzu komi tsada Sana'a da yanzu muke yi ba dan riba bane muke kuma an munni kuro abin da yaran mu suka ci suka karasan shi kada da riban mu hawan sai fa wannan shi yasa kaya kowanne yayi tsada inda son samu ne so muke ta koma ɗari bakwai ma sefa muna son ta ko dubu in ta koma kenan komi zai sabko da arha kenan abin da aka daga yamma a sefa kenan sai ya zama ya zo mana da sauki mu ma mu samu yan uwan mu kowa ma ya samu sana'an da yi gaskiya canjin kuɗi da yake hawa wannan gaskiya ba sauki ana ma naira kallon darajar ta na da gaskiya yanzu sabani haka ne gaskiya dai magidanta suna ji a jiki abin da zaka saya a bara naira dubu yanzu sai ka sai shi dubu biyu da ɗari biyar ko sama da haka ma misali kaman in ka ɗauki tiyan shinkafa bara zuwa yanzu in ta yi tsada ne dubu da ɗari biyu zuwa da ɗari uku amma yanzu sai ka samu dubu biyu da ɗari bakwai da ɗari takwas har inda ta kai dubu uku ma mutane suna ji a jika. Malam Ali wani mamba ne na 'yan canji ya bayyana mana dalilan da ya sa canjin ke canzawa a kowane lokaci. Abun da ya sa canjin nan sai ka gani wani lokaci ya tashi wani lokaci ya fadi. To wannan kuma ba a gare mu ba yake abu ne mu duka muna bin Nigeria. To Nigeria shi abun da ya sa yake haka din sai ka gani wannan dola ya tashi nan ma sai yake tashi. Idan dolan ya ya ragu farashi sai kaga sifan namu nan yake rage farashi to dolan kuma a dalilin da yawa ne zai rage farashi to dalilin da ya sa dola zai rage farashi sai kaga shugaban kasa na Nigeria sai wani lokaci sai ya huddo sanarwa ya ce to zai huddo dolar isasshe jama'a shi duka za su samu dolar kinan in ya huddo su da yawa kenan zai rage farashi sosai sai a farashin gwamnati abin da ya aje shi ne za su yi aiki da shi to sai su ji tsoron haka din sai su rage farashi ta sefa dama rashin dola shi yasa za a nemo sefa kenan naira bata tahiya ko ina in ya ƙetare Nijar ya tsaba kin tahiyar shi ya ƙare. Har ila yau Malam Ali ya ja hankalin 'yan uwansa masu sana'ar wato na canjin domin mayar da hankali bisa kan bin tsarin yanayin canjin. Kwai kiran da za mu yi tsakanin mu masu 'yan canji da 'yan canji muna da grup tun da zamani solola ne. Kullum sahe muna ba da sanarwa muna kira jama'a mu ceto a yi hattara kar a zalunci mutane kar a cuci mutane kar ku kawo wani farashin da bai dace ba. Ga farashi a nan tsakanin wannan da wannan har ya wuce naira ɗari har ya wuce wuce naira ɗari biyu kara ita wannan muna faɗi sai ka gani wani yanzu ya zo yana so ya je ya yi barsimakin miliyon ɗaya miliyon biyu kafin nan da awa ɗaya yana so ya je banki to shi ya kama yaron shi na aike to cewa ne eh da Allah ka shiga ka suna kai gauga ka siya min wannan kuɗin ka hada ka hada ka kama kan nan da awa biyu to irin wannan duka muna jan hankali mutane Allah su yi hatara a saboda wannan yanayi ne farashin kayayyaki akan kasuwan ke harhawa inda galibin al'ummar garin na difa Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est le moment pour nous de recevoir Grouza Hassoumi pour la partie sport. Bonjour Grouza. Bonjour euh, Rekia, bonjour, Mariam. Bonjour. Alors euh, Grouza, la Fédération nigérienne de taekwondo a organisé du manja, le passage des gardes de ses pratiquants. Oui, c'est une activité qui se déroule périodiquement pour évoluer les, pour évaluer les pratiquants des différents clubs de la capitale, mais aussi des encadreurs. À chaque passage de la fédération choisit un nom des acteurs disparus pour nommer le passage de grade. Le nom de maître Hamidou Tonkano, rappelé à Dieu tout récemment, et celui qui a été choisi cette fois-ci euh, pour lui rendre hommage. Le président de la FENI Taekwondo, Soumana Sanda, que je vous invite à suivre. Nous sommes euh, heureux que cela se passe euh, dans de très bonnes conditions. Et d'autre part, ça permet aussi à la Fédération nigérienne de taekwondo d'honorer nos illustres disparus en donnant leur nom aux différentes promotions. Vous avez observé que cette année, c'est Maître Hamidou Tonkano, dont le nom va être porté par cette promotion. Donc euh, je pense que nous sommes euh, dans la dynamique de l'excellence et cela va se poursuivre. Nous avons juste observé que contrairement aux années précédentes, le nombre, euh, disons, d'inscrits n'est pas aussi élevé. Et ça, nous comprenons tous. Parce que vous savez, contrairement aux autres disciplines, au niveau du taekwondo, tous ces pays, tout comme les responsables pays, pour participer aux activités internationales. de fait d'un certain nombre de difficultés, nous avons observé euh, cette baisse du nombre. Mais qu'à cela ne tienne, sachant pertinemment que la volonté existe au niveau de tous les pratiquants. J'ai ordonné à ce que très rapidement, en tout cas dans les mois à venir, que nous puissions organiser un autre passage de manière à ce que l'ensemble de nos pratiquants puissent euh, participer, de manière à ce que nous élargissions notre base en matière euh, d'élite du taekwondo. Gourza en football, la Super League du Niger de buter ce week-end pour ça, n'est-ce pas Oui, Rekia, euh, des matchs ont été joués dans les différents stades du Niger. Nous allons euh, annoncer, nous l'avons annoncé, vous vous rappelez, hier, Tawa a accueilli dimanche la rencontre entre JST et olympique de Niamey. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées par un score nul de 0 but partout. Nous allons écouter la réaction des deux entraîneurs respectivement Pascal Baka de la GST de Tawa et Dauda Jibo de l'Olympique de Niamey. Toujours au micro de Mustafa Momassani. Euh, L'Olympique a eu plus de matchs de mise en jambe que nous parce que vous, vous avez vu, c'est notre premier match officiel. Et même euh, pour les mises en jambe, je crois que c'est le seul match qui a été vraiment le match le plus dur pour nous. Donc voilà pourquoi pour le moment nous cherchons nos marques. Je ne sais pas si ça a changé parce que si j'avais une victoire là, ça allait changer. Mais comme c'est un nul, vraiment ça n'a pas changé. Pour le moment, nous sommes dans la course. C'est notre première journée. Nous souhaitons vraiment continuer mieux. Nous manquons surtout d'attaquants parce que nous avons eu des blessés pendant les préparations. Donc, euh, ce qui a fait que peu notre euh, attaque a un peu flotté. Effectivement, vous avez bien remarqué ça parce que on a même eu des défenseurs qu'on a mis comme excentrés. Vous avez vu. Donc tout ça, au moins, c'est pour essayer un peu de bien maintenir euh, la stabilité de l'équipe. comme tout début est difficile, on pense que vraiment les garçons ont beaucoup fait pour une première sortie avoir euh, un point en déplacement, c'est pas rien. Le terrain est vraiment dégoûtant. Euh, le terrain là n'est pas vraiment de l'énorme pour jouer le championnat. Ils ont une bonne équipe. Je pense que c'est la finition qui leur manque. Voilà, euh, Mariam, voilà pour le sport aujourd'hui. Merci, Tonton Merci beaucoup. Après le sport, nous, nous enchaînons avec la rubrique portrait. Au Niger, plusieurs écoles dans la zone de Tilaberi ont été fermées ou ont été brûlées suite aux actions de groupes armés non étatiques dans la zone. Une situation qui a provoqué d'importants mouvements de population et le décrochage scolaire de nombreux élèves. Cependant, certains ont pu être réinscrits dans leur euh, localité d'accueil, comme Soraya, Nevan, suivant ce reportage de Habibou Garba, réalisé à Touroudi, vers la frontière du Burkina Faso, dans la zone des trois frontières. Il est rendu au studio Kalango par Fanta Shams. E, e, e, Soraya, 9 ans, est toute contente et motivée d'apprendre à lire et à compter. Elle retrouve peu à peu son droit à l'éducation, dont elle a été privée l'année dernière après l'attaque des groupes armés non étatiques dans son village, Bosei Bongo, région de Tilaberi, où son école a été brûlée. Aujourd'hui, c'est l'école centre de Torodi qui accueille la jeune fille. C'est là-bas qu'ils se sont installés avec leurs parents. Notre école a été brûlée. Nous avons fui le village avec mes parents pour venir ici à Tourouji. J'ai été réinscrite ici à l'école centre et je suis en classe de CE1. Je suis contente. Oumulher Souley est l'enseignante de Soureya. Dans sa classe, le CE1, les enfants des déplacés s'adaptent bien aux cours malgré le traumatisme vécu dans leur village. J'ai plusieurs élèves déplacés dans ma classe. La majorité comprend bien les cours. Les autres ont toujours des traumatismes de ce qu'ils ont vécu dans leur village. Mais Dieu merci, certains comprennent bien. À titre d'exemple, Soraya est parmi les meilleurs élèves de la classe. Et j'en appelle aux parents d'élèves déplacés de réinscrire leurs enfants. Le papa de Souraya, Moussa Birji, se réjouit de revoir sa fille étudier à nouveau, ainsi que plusieurs autres enfants déplacés. Nos enfants étudient bien ici depuis que nous avons fui notre village de Bossé Bangou. Les autorités départementales ont initié des cours de renforcement d'abord aux enfants. Nous sommes satisfaits. Selon la direction départementale de l'éducation, de Torodi, l'inclusion est très visible chez les 2470 élèves déplacés et autochtones. Soumana Abdoulaye, l'informaticien, explique. À l'entrée scolaire 2023-2024, nous avons recensé 2470 élèves qui ont été réinscrits ici à Torodi. Parmi eux, 1275 filles et 1234 garçons. Tous ces enfants ont fait la sécurité dans leur village où leur école ont même été brûlée. Ils sont dans les mêmes classe que les autres élèves de la localité. Le centre de Torodi accueille les élèves dont les écoles sont attaquées, menacées ou sommées de fermeture. La méthode appliquée a permis à plusieurs enfants de reprendre le chemin de l'école et de donner de l'espoir aux parents. Il est 11 heures passées de 45 minutes. Chers auditeurs, faisons un dernier tour à musique avec Alaji Kelnaba avec le titre Bajumdu. Les lotis du jour, Mariam. les lotis d'aujourd'hui traite des cadeaux que les femmes offrent lors des cérémonies sociales, mariage ou baptême. Ces cadeaux peuvent être en nature ou en espèce, mais pour certains, c'est un placement dont elles attendent un retour. Écoutons Fanta Chamsou et Samira Rouafi sur la question. gidan ga. Kai wai ne ko ba kowa ne yau. Kai akwai mutum walla amma alaikum salam. Makwabciya kina lahiya ya ki Alhamdulillah makwabciya ta. Wai me ya same ki ne naga kamar akwai abin da ke ki Hmm, ke dai bari ina cikin wani dogon lissahi. Abukiyar nan tawa Zainabu ita ce ta aihu jiya. Kai madalla, wannan ai abin alheri ne. To menene kuma na damuwa a ciki ko wata matsala ta samu? a'a wallah bata samu matsalar komi ba kina tune sanda ni na aihun nan na samu ɗana mm. wallahi ta kawo mini kyautar jikka goma kuma har da kwalin sabuli to ni kuma yanzu ke gani ba ni da ko dala ban san ko ina iya maida mata abin da ta ka mini ba mm. mu mata matsala to wannan shine abin na damuwa kuma wallahi ke dai babbar gora ta ce babbar aminiya ce ai abun da kumya haba yanzu a ce ta kame wani abu ni kuma ban kai mata komi ba to ai naga abun ba bashi bane kyauta ce ta ganin dama natan yanki murna lokacin da kika haihu menene kuma na damuwa a ciki hmm. ai kamar baki san matan yau ba in suka kawo miki dala biyar suna jiran ki ka musu jika haba da Allah bari komi suna jiran a su ga an ka musu wanda yahi wanda su suka kawo maka ke kwantar da hankalinki ki shirya tsab ki ta wurin bikinki abinda Allah ya hore miki shi zaki bata ko ba haka ba wallahi gaskiya ni tsogo nake ji duk mutanen anguwa so gaina ni su yi ta nuna ni su ce gani nan ban maka mata wani abun a zo a gani ba haba wallahi gaskiya kuma kin gani wa da garin ya zamanto sai a hankali ke ni ba ciki da wannan kayan shirma. a gani na ko baki ba ta komi ba ai ba wani tashin hankali ba ne kuma na tabbata ba ke kaɗai ba ce ba ina ma kyauta ta taɓa zama bashi wanda sai an biya ka da muka makamantin shi ko hiya da shi hmm. wannan ke kika san da haka To, tun da dai kina ta magana, zan shirya dai in ta haka nan. Haka ne ma ai, kyautar da ake kaiwa wajen biki ai kawai yi wa kai ne. Taimakon juna ne da gudunmuwa tsakanin mata, ke har ma da maza wani bi. Kenan ban ga abin ta da hankali a nan ba, na mima wai. Hmm. Na dai gode makwabciya da kika dan kwantar da min da hankali. Zan je in shirya maza maza ka in ta in rasa dan shinkawa da ake yi ta midi. <laughs> to ko ke fa, ungwani ma ga bakar leda ta kaɗa cikin tsak in kin je ki zubo min rabona. <laughs> Aha, kina son kina ƙara ga mini daman ba wani abun a zo a gani zan kai ba kuma in yi kwashe-kwashe. Ba shi komi to ni ko ɗan lemun ma ki kawo mini. <laughs> Chers auditeurs, c'était là le loti offert par euh, le desk Femme du studio Kalango. Écoutons ensemble l'explication du mot cohabitation avec Maman Ada, responsable du Desk Bonjour Ada. Bonjour Rekia. La cohabitation, c'est l'état de deux personnes qui habitent ensemble, vivre ensemble. On peut parler également de coexistence. Ces dernières années, par exemple, avec les déplacements de, populations liées à l'insécurité dans certaines zones, on parle nos coexistence entre les autochtones et les déplacés. On souhaite une cohabitation ou coexistence pacifique des populations. En politique aussi, on parle de cohabitation, c'est-à-dire une présence simultanée d'une majorité parlementaire et d'un chef de l'État de tendances politiques différentes, donc une coexistence institutionnelle. Donc en hausa za e a cohabitation ana iya e mata ko ade wato zaman mhm. kuma Shikena. <laughs> Merci beaucoup, hein, Adam, pour Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal au message écrit au 82 89 89 64. Reka, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs imam makala amadu abdullahi jallo torodi nay go e abdullahi amadu jallo mm. ko erga aranga erske aranga studio kala musigira hanga ay ga hangan gum gum gum gum je connais même leur quand euh, émission go passer radio te bonsi sigire wallahi asinda talifo pourquoi parce que sigire menda me population o bon ni goga salam ir masala kan ir goga di kinin da zari abonde ni goga salam kimi mono fisi bidillahi um ir goga di amfani gum gum gum labare mu i goga to ir do zama labare inge wo isi tugu labare kan dumo irga ba ir mamanga de ni goga no irse alhamdulillah to goya. burkulu gabai kan tontono dini aga bisa zama studio kalan gondinga journalist yan imur ko ga to surtout alfarai halde hal da wo idu ise isalan ifakare idu ga faham wai kan yi gaba farai mitkan no igi gayin da mitkan no angara igi danda mitikanno iga hawai kudu iru hal da sajo bori to fi sibidila alhamdulillah to labo gunda kuna rayuwa shine kala jiren men da me hunkundan kan irgo zaman labu sanino boramu doga kai ama bay kan borfos ka gira labo cina ir kulma tunga kai ga mudun magasu gabe mit kan irga te borkum sika ga tari tari sai hile wono dine aban borai makan ga bonga ai maga ta hamudu isa Amadi Isa ni ga hangan na studio kalango ne wallahi gumo ai hangani se amma i won diffusion ora jeune entrepreneuria son norin ki wote ai ba im tontonara im tontonara zan kai mu dugu du courage kan ga gos wali kule go ga hangani se wai borai mo im tontoni se ima hagoi dingai borkin tara wadi hinne ga ba radio kalangum sintini ima tontoni sei iwana hayora labare mo arkai ba gati ima labize bonga feri kanganan labize mu goyi labose. wallahi kimkimi kana se hatta ka hat gi hagan wallahi labari ki gono manki for for labari yanno kimi labari ni gogono shiga siyasa dangai labari ra wallahi mu tonton gulu kuna bara kunu ma harkan studio kalangu gogici girl, want you, want love. Love is the best gift God has given to, the, world. The first time I came across with you, girl, I was bound to travel. And to that time, you promised me to be mine.

C'est avec ce titre Dole Dangana de Abdus Salam que prend fin cette émission de ce mardi 21 novembre 2023. Vous étiez en compagnie de Rekia Arimi et Mariam Adje. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et la technique par Issa Excellente journée à vous.